sommes mercredi 3 mai 2023. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Ali Moukela Ouseni alias Seno et à mes côtés, Samira Rouafi. La technique est assurée par Mustafa Ayuba et à l'édition, nous avons Rahila Toussoumana. Samira, bonjour, comment vas-tu Je vais très bien, Seno. Et toi, comment ça va Ça va bien, Alhamdulillah. Alors super, qu'allons-nous servir à nos auditeurs ce matin Comme d'habitude, Samira, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec le flash d'informations pour commencer et aussi de la bonne musique nigérienne. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons environnement comme tous les mercredis. Et nous accueillons notre invité du jour, l'artiste rappeur Hakim Le Plan B. Avec lui, nous allons parler de l'évolution de la musique urbaine Afrotrap au Niger. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, un reportage régional et de la culture linguistique en français et Nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. Installez-vous confortablement, c'est parti. Chers auditeurs, euh, c'est parti avec le flash d'information que nous ouvrons euh, cette émission. Nous vous proposons aujourd'hui de suivre ce flash avec euh, Rafika Attaher. Bonjour Rafika, comment tu vas Ça va bien Samira. Alors, pour aujourd'hui, actualité oblige, ce 3 mai 2023 et célébrer la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme est le thème retenu pour cette année. C'est une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. En deuxième point, nous avons le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a reçu hier 2 mai 2023 le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassibrou. À sa sortie d'audience, le gouverneur de la BCAO a affirmé que sur l'évolution de la situation économique, monétaire et financière dans l'Union et sur les éléments concernant la situation immédiate à court terme et le moyen terme, la croissance est soutenue, avec une croissance de 6% en 2022, même s'il y a y a des disparités entre les pays. Au Niger, les, <clears throat> performances sont excellentes puisque l'inflation est de 4%. Néanmoins, il est prévu encore une baisse. Enfin, le gouvernement nigérien, à travers un communiqué du ministère de l'Intérieur, apporte un démenti formel à des accusations qui seraient infondées dont l'objectif est de porter atteinte à la crédibilité et à l'image de notre pays vis-à-vis de ses voisins et face à la communauté internationale. Un groupe de personnes dénommé Comité Union Tilaberi pour la paix la sécurité et la cohésion sociale auraient diffusé sur les ondes de certains médias que les déploiements des forces étrangères, notamment françaises sur les frontières du Burkina Faso et du Mali, s'opéraient à partir de notre territoire avec à leur côté les mercenaires tchadiens. Contre ces allégations, le Niger envisage de porter plainte contre la désorganisation qui l'accusait de livrer le territoire comme base arrière aux forces étrangères. C'est tout pour ce flash d'information, Samira. Merci beaucoup Rafika, c'était très très euh, enrichissant. Merci infiniment Rafika Ataya pour euh, toutes, ces toutes, ces informations. Chers auditeurs, comme invité ce matin, nous recevons Hakim Le Il est artiste rappeur. Bonjour Hakim. Bonjour la famille. Alors, en forme ce matin Ouais, tranquille. Alors Hakim, bonjour. Euh, avec vous ce matin, nous allons parler de l'évolution de la musique euh, urbaine à euh, au Niger. Mais avant de donner la parole à notre invité, cher auditeur, pour bien vous installer à suivre cette émission, nous vous proposons cette musique de l'artiste Malam Mamam Barka qui rend hommage à la presse nigérienne. Et oui, euh, c'est à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse que nous vous proposons cette belle mélodie dédiée au métier euh, du journaliste. On l'écoute. arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bayonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. La voix de la presse, est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple doit s'en servir quand il a besoin. Il peut s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le baillonnement et le musulman. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. Président de tous les pays, dirigeant de toutes les nations, empereur de toutes les cités, libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez les Maman Barka, mesdames et messieurs, à travers cette chanson, a rendu un hommage à la presse nigérienne. Il est l'un des artistes qui a mis son talent au service de la nation. En effet, euh, Mal Maman Barka était populaire au Niger et s'est fait également une renommée au, Nigeria voisin. Autour de son talent, sa popularité s'explique par sa maîtrise du biram, un instrument de musique très particulier et aussi par ses chansons engagées. Malheureusement, l'artiste nous a quittés il y a trois ans de cela. Et oui, ainsi va la vie. Retour au studio, mesdames et messieurs, avec notre invité Hakim. Comme annoncé, vous êtes là pour parler de l'évolution de la musique urbaine afro-trap au Niger. Et justement, vous faites partie des artistes, des artistes qui évoluent dans ce style musical. Dites-nous, comment Hakim est arrivé dans la musique Bon, moi je pense que je pense que c'est une sorte de désir refoulé. <laughs> une sorte de désir. Euh. J'allais dire parce que je me suis retrouvé euh, et dans ce domaine-là au tout début. à, mon jeune âge, j'étais, je pense, en classe de 5e. J'étais venu passer mes vacances ici à Niamey. Donc, j'avais séjourné chez Idi Sarki, qui est mon neveu. Ok. Donc, euh, je pense que j'ai pêché le virus là-bas. Parce que j'ai passé deux mois à observer comment ils vivent, il y avait tous les rappeurs de Niamey en ce temps qui mhm. passaient la journée chez lui parce que c'était un grand jardin. Mhm. Tout le monde venait, je voyais vraiment comment ça se passe. Je faisais du thé pour eux. Et après, quand j'avais quand quitté euh, Niamey, j'étais retourné à Zender. Mhm. J'avais acheté une cassette de l'album de Wasong qui venait de sortir. Ok, Wasong. Ouais. J'étais parti à Zender avec. C'était quoi le nom de l'album Le nom de l'album, c'était Anazwa. Anazwa Oui. On arrive. Oui, on arrive. Voilà. <laughs> Donc, c'est comme ça que j'étais arrivé. <laughs> tu vois. Donc, j'étais parti, j'ai écouté l'album du fond en comble. J'avais vraiment appris déjà euh, comment poser sur un beat en écoutant l'album mhm. parce que je l'avais bûché. Donc, si tu me mettais en ce moment les beats des sons de l'album, je pouvais rapper les morceaux de l'album sur les beats. Donc j'ai commencé à écrire mes propres textes. Bon, j'ai commencé à rapper avec mes leçons de géographie. Ah Oui, oui. J'ai commencé avec et après c'était... Et c'était comment pour les résultats Le résultat aujourd'hui non, le résultat. Euh, ce que ça a donné. par rapport euh, avec tes leçons, bien sûr, je vais dire. Non, en fait. Les résultats académiques. Non, les résultats académiques étaient, étaient catastrophiques. Ah, était Les leçons n'étaient pas bûchées alors. Les, les leçons n'étaient pas bûchées et le rap avait même pris le dessus quelque part. Parce oh. que j'avais rencontré quelqu'un qui rappait déjà en ce moment là-bas, Zender m'a expliqué bon, c'est pas avec les leçons de géographie que tu vas faire toute ta carrière. Mhm. Il faudrait écrire tes textes à toi mhm. et raconter ton vécu et tout et faire de la musique. Bon, j'en ai fait vraiment un temps, mhm. j'avais arrêté, mais c'était pas Hakim en ce moment-là. J'avais arrêté et j'avais repris ma carrière en 2016. Ok, mais quand même, il faut le rappeler, vous êtes aussi un diplômé, hein, Hakim. Bien sûr, je suis. Vous avez eu à travailler dans une banque. Bien sûr, j'ai une. En fait, j'ai pas de diplôme de banque. <laughs> je me suis retrouvé dans une banque, mais j'ai une licence en communication et une licence en soins infirmiers. Mhm. Ok. J'en ai deux. Alors, Hakim, pourquoi avez-vous choisi euh, ce style musical Bon, parce que quelque part, à, la base, moi, quand j'avais commencé, je pense que l'afro-trap, comme vous le dites, l'afro-trap, c'est une musique qui permet d'acquérir un public très vite. Mhm. Quelque part, les gens ne regardent même pas le sens du texte. Tant que le beat cogne fort, ça fait danser c'est bien articulé, ça passe. On peut se faire des fans. Mais ah, depuis le début, c'était pas ma vocation. C'était pas de faire de l'afro-trap, c'était de faire du rap. Parce que moi, j'étais un rappeur. Mhm. Mais j'ai utilisé ce moyen pour me faire du public et maintenant faire ce que j'ai envie de faire. <laughs> C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parlant de public, euh, comment se porte euh, l'afro-trap au Niger selon vous, Hakim Moi, je pense que euh, l'afro-trap, la musique urbaine en général, se porte très bien. Très bien. De point de vue, euh, point de vue euh, développement, mhm. parce que il faut le dire quelque part, si nous avons certains blocus ici, moi je ne vais pas évoquer du négativisme dans les débats. Mhm. Je vais pas, je vais regarder le côté positif. Moi je pense que nous devrons être juste euh, beaucoup trop créatifs. Il faut qu'on qu'on arrête de se référer à d'autres cultures Vraiment, parce qu'aujourd'hui, les Nigériens sont en train de devenir des Ivoiriens. C'est bizarre. <laughs> Nous avons une culture à nous. Ah oui, c'est vrai. Nous avons notre culture à nous. Hein. Moi, je pense que depuis que j'avais regardé le, le, dernier concert Genèse de Feno, là, mhm. j'avais pris une décision ferme par rapport à ma carrière, que je vais changer mon style de musique. Je vais changer ma vision, oui, parce qu'il faut que, à partir de maintenant, il faut que chaque morceau que je sorte, dès qu'on écoute, on saura que lui, là, ça il, est bon, mais ça vient du Niger. Il faut qu'il y ait, que ça soit du Kalangou, ou, il faut qu'il y ait quelque chose de, qui, vraiment représente notre culture. Effectivement. Voilà, mais de point de vue, généralement, je pense que la musique urbaine va bien. Okay. Ah, voilà, parlant de nouveautés, d'actualité, récemment sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, euh, personnellement, j'avais vu euh, un freestyle que vous avez fait sur euh, un genre de société suspecte et on vous comparait même à des chanteurs béninois, togolais et ivoirien. Et j'ai vu dans les commentaires que beaucoup ont aimé votre freestyle. Est-ce que je peux avoir un peu de notion sur ça Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui vous a poussé à faire euh, ce challenge En fait, euh, ce challenge ne date pas de maintenant. Ça fait quelques mois. Ça s'est juste retrouvé sur TikTok il y a quelques jours. Et c'est un challenge de. C'est un morceau de société. C'est un morceau de Suspect 95 c'est le morceau de Suspect 95. Euh, qui est un euh, rappeur ivoirien. qui a fait un feat avec Youssoufa. Mhm. Maintenant, euh, il a lancé un challenge. Mhm. Il a lancé un défi. Vous voyez, non Le défi, c'est quoi C'est qu'il garde son couplet sur le morceau, mais qu'il laisse la partie de Youssoufa. S'il y a un rappeur africain qui a vraiment Bon, du m'excuse. Nous, on dit les couilles. <laughs> ça, c'est voilà, le, terme artistique. Voilà. <laughs> vous voyez, s'il y a uh-huh. quelqu'un qui a vraiment du cran, comme vous le dites, de uh-huh. venir poser et de voir, de faire les comparaisons. Vous uh-huh. voyez, non. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs euh, pays qui ont représenté, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est les meilleurs qu'ils ont sélectionnés pour lancer le challenge sur TikTok. Moi, j'ai vu et j'ai vu que les Nigériens euh, ont passé presque une semaine à me tailler sur la page de Suspect 95. Ils m'ont taillé de partout que je dois représenter que c'est à moi de relever le défi. Donc, je l'ai fait. Et tu l'as fait euh, très bien même Hakim. Eh bien avant de continuer, faisons donc une petite pause musicale avec ce titre que tu nous proposes. Le titre c'est Espoir. Ah, je savais. <laughs> On sera 10 h du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, va sortir du coup, je vais espérer. Ah. Enfant de boss, la boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi, ça va sonner. Ah, ce sont les bâtiment. dans le bâtiment. Garagiste et puis boutiquier. Vendeur d'eau et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma meuf et gérer ma famille, mais je suis fauché. Et puis de créer l'homme et la terre. Il a créé le riche et le pauvre, je vois la lumière au bout du tunnel. Je dois payer mes dettes, plus le temps pour les fêtes et remplir la mallette. tu sais que la galère fait tourner la tête. On sera 6 h du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, va sortir, du coup je vais espérer. Ah. Enfant de boss, le boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi ça va sonner. Ah, ce sont les taximans, menuisiers dans le bâtiment, garagistes et puis boutiquiers, et de condiments je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma mère, vais gérer ma famille, mais je suis fauché. On veut quitter le ghetto et rouler dans les mercos. Je veux toucher la monnaie pour envoyer ma vie, maman à la que On dit que chaque chose en dans la vie, faut pas te précipiter. Quand on veut, on peut réaliser ses rêves, personne ne pourra me décourager un très bon son, en plein de sens d'ailleurs, Hakim, sans vouloir vous jeter des fleurs, bien sûr. Mais Hakim, dites-nous exactement, c'est quoi l'idée derrière ce son euh, Je suis sûre qu'au-delà du rythme, nos auditeurs voudraient bien vouloir euh, avoir plutôt une, explication approfondie euh, sur le contenu de ce morceau. Bon, ce morceau, c'est juste un morceau dédié à ceux qui se lèvent tôt le matin, qui partent se chercher eux-mêmes, mhm. et ceux qui n'ont pas de cœur, de cœur en or à la bouche, qui sont pas nés avec. Ceux qui ne sont pas les fils à papa, <laughs> les enfants du charbon, nous, on grigra tous les jours, on se cherche et on ne se décourage jamais. Donc ça, c'est un hommage parce que je cite les taximans, les vendeurs d'eau et tout, on les voit au bord de, la route tout le temps. C'est des gens qui, qui cherchent, qui, ne cherchent que leur pain, quoi. Et des euh, garagistes et tout. Donc, euh, des gens aussi qui n'ont pas étudié, parce que ceux qui ont étudié ont quelque part le luxe de travailler dans la clim et tout. Vous voyez, <laughs> d'autres sont dehors. Donc, voilà, l'un dans l'autre, parce que même vous qui êtes là, vous êtes des enfants du charbon. Pour moi, l'hommage est, rendu à tout le monde. <laughs> Voilà. Ok, Hakim, euh, à l'état civil, vous répondez au nom de Abdul Karim Kawel. Alors, pourquoi le choix de ce nom, Hakim le plan B Bon, Hakim, en fait, euh, depuis mon bas âge, il y avait, il y avait une personne qui m'appelait légèrement. Mais après, euh, après, c'était un collègue de travail à la banque. Depuis le premier jour euh, que j'ai mis pied, lui, je l'ai trouvé là-bas. Il a commencé à m'appeler Hakim et je n'ai jamais su pourquoi. <laughs> oui, depuis que j'étais arrivé, il m'appelait Hakim. Oui, c'est un collègue de travail, il s'appelle Isaka. Il m'appelle toujours Hakim. Hakim. Et t'a jamais expliqué pourquoi Oui, un jour, on a, on a un peu parlé légèrement de ça. Il m'a dit, bon, généralement, tu sais, les gens qui s'appellent Abdul Karim ont fait le diminutif, c'est on les appelle Hakim et tout. Donc après moi quand je suis venu, j'ai commencé, j'ai vu que c'est un nom, moi qui me convient, ça me va. J'ai dit bon, désormais, dit la famille, désormais je m'appelle Hakim. <laughs> et c'est un très beau prénom quand même. Dites-nous Hakim, est-ce que la fotrappe est bien consommée par le public nigérien Oui, oui. Moi, je pense parce que il y a euh, seulement quelques jours avec lui là-bas dans son université, on a fait une démonstration de eh force. Mhm. Ça a toujours été ainsi et moi je pense que tant que tant que parce que il n'y a pas que la musique, il y a certaines choses à rapport vraiment avec la carrière qu'il faut sauvegarder, qu'il faut sécuriser. Mhm. Et comme quoi L'image. OK, l'image. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le style en tant que tel, c'est l'artiste. Mhm. Vous voyez, non C'est l'image. Il y a des artistes qui ont un talent fou, qui ont de la chance, beaucoup de chance, mais qui n'ont pas su conserver leur image. La conservation de l'image, parce que moi je pense que l'image c'est le, c'est le fondement. C'est le fondement vraiment de, de, de la carrière. Alors Hakim, existe-t-il des problèmes qui empêchent la bonne marche de la musique ouais au Niger selon vous Oui, beaucoup. Beaucoup. Euh, je vais citer d'abord euh, le manque de soutien le manque de soutien, de soutien. financier, ou moral Oui, aujourd'hui, il faut un artiste n'a pas besoin de soutien moral. C'est <laughs> ah lui qui donne le moral aux gens. <laughs> un artiste a besoin d'argent. Il faut dire, moi j'ai toujours, vous voyez, c'est à cause de ça que souvent euh, certaines personnes ont vraiment des petits soucis avec moi. Moi, j'ai tendance vraiment à dire la vérité hmm. et à l'étaler. Vous voyez, aujourd'hui je suis le, oui, aujourd'hui je suis le coordinateur régional de Anasim, si je ne dis pas la vérité, qui va dire la vérité les artistes nigériens ont besoin de soutien financier. Parce que je vous donne un exemple. J'ai vu plusieurs fois. Par exemple, hier, il y avait il y a l'île Steve qui fait. Tu vois Effectivement, il, va, se produire ce soir. Il va se produire ce, soir là-bas. Mais hier, je lui ai donné une véritable leçon de morale au téléphone. Mhm. Oui, je lui ai expliqué un certain nombre de choses. Par exemple, il a fait un album. Mhm. OK il a fait, il, produit, il va produire des concerts mhm. en rapport avec son album. Il veut faire la promotion de son album à travers des concerts. Vous voyez, non, et tout. Les artistes nigériens se trompent vraiment de combat. Je vous dis la vérité. Mhm. Un album, c'est un produit à vendre. Si vous n'avez pas de fanbase, vous n'avez pas de clients, vous allez vendre le produit à qui À personne. Ah Alors, selon vous, comment faire pour y remédier, Hakim Moi, je pense que qu'il faut d'abord travailler. Il faut beaucoup, beaucoup trop travailler. Il faut s'inspirer de ceux qui ont réussi. Mhm. Aujourd'hui, nous, ici, avec nos petites carrières dans un couloir ici, on se prend pour des, des, des, Michael Jackson, tu vois. <laughs> moi, aujourd'hui, j'ai des, oui, moi, aujourd'hui, j'ai des références. Il y a des gens que j'observe. Je sais que eux là, ils sont sur la bonne voie. Mhm. Je ne les copie pas, mhm. mais j'essaye de faire plus ou moins de la même manière, avec la même grandeur et tout. Vous mm. voyez, non, moi je pense que c'est le travail. Il faut aujourd'hui, pour qu'un sponsor te donne de l'argent, par exemple, il faut vraiment l'impressionner. Mm-hmm. Et quelqu'un ne peut pas prendre de l'argent, te donner, tant qu'il sait que tu n'as pas grand-chose à lui apporter. Exactement. Donc c'est un travail vraiment donnant, Exactement. Nous n'allons pas abuser de votre temps avant de nous dire au revoir. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos fans qui nous écoutent actuellement à travers le Niger ouais, Moi j'appelle mes fans à nous soutenir tous, mes fans à nous soutenir tous, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'union fait la force. Et beaucoup de gens voient la divergence et disent que non, Hakim a fait clash avec tel ou tel. Il n'y a pas de clash, c'est de l'amusement. Nous sommes tous les mêmes, nous sommes là pour rendre, voilà, pour rendre la culture fière. Mhm. Et vivement euh, le rap nigérien au sommet de la musique internationale. Inch'Allah. Wesh, wesh. encore une fois de plus, merci de nous avoir non seulement honoré de votre présence dans cette émission, mais aussi et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Excellente journée à vous, tout en espérant qu'on aura euh, une autre occasion de se retrouver dans cette émission. Bien sûr, toujours un plaisir. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nous à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et qui dit mercredi euh, dit environnement. Nous allons parler d'environnement. Aujourd'hui, dans notre rubrique environnement, nous abordons la question de la biodiversité dans le domaine de la santé. Selon les spécialistes de l'environnement, la diversité biologique joue un rôle essentiel dans la santé, aussi bien dans la médecine traditionnelle que moderne. Seulement, euh, l'épuisement continu de cette diversité des espèces pourrait affecter la santé humaine, d'où l'intérêt de protéger notre écosystème, ou bien je veux dire nos écosystèmes et les espèces qui y vivent. Boukar Atari, environnementaliste, explique au micro de Asumana China. Au point de vue médecine traditionnelle, quand vous prenez les médicaments, ils sont constitués des parties de feuilles d'arbres, des racines d'arbres, des troncs d'arbres, des mélanges parfois de plusieurs deux ou trois euh, espèces. Pour certaines maladies, on mélange à peu près plusieurs parties de au moins cinq espèces, et même plus d'ailleurs. Si on, on, dit pour traiter une maladie, il faut trois ou quatre espèces, ça veut dire que là aussi, il est évident qu'il faut avoir toutes les variétés de plantes. Et chaque plante à la maladie qu'elle guérit, ou bien une combinaison de plantes à la maladie qu'elle guérit aussi. Donc ça veut dire qu'on voit la diversité des espaces influence les traitements que nous faisons au point de vue traditionnel. Ce n'est pas seulement les plantes, hein. il y a aussi les parties d'animaux qui sont utilisées. Si on prend par exemple le venin des serpents, si vous prenez par exemple dans la zone nord, les éleveurs là, si ce n'est pas récemment qu'on les a amenés à faire les vaccinations, mais ils traitent leurs animaux de manière traditionnelle. Et ça marche. Et tout ça, là, c'est des espèces qu'ils utilisent, que ce soit des espèces animales, des espèces végétales, etc. Et d'ailleurs, pour certaines euh, morsures de serpent, il y a certaines plantes qu'on se dit que tu prends, le venin, là, il disparaît. Ou même le venin est utilisé pour traiter certaines maladies. Il n'y a aucune espèce qui est inutile. Tout est utile. Peut-être on ne sait pas l'utilité de ces espèces. La diversité biologique, ajoute-t-elle, un rôle dans la médecine moderne Quand vous partez dans les pharmacies, vous prenez n'importe quel médicament. C'est des recherches qui vont abouti à ces médicaments. Et si vous allez à la racine, à la base, c'est peut-être des parties d'animaux, des feuilles de telle espèce qui ont été travaillées pour faire des comprimés, pour faire des gélules, etc. Donc que ce soit la santé au niveau des médecines traditionnelles ou bien au niveau de la médecine moderne, c'est toujours nos plantes, nos animaux, nos micro-organismes qui sont utilisés. Quel doit être le comportement de l'homme vis-à-vis de cette diversité d'espèces menacées de disparition Imaginez si la vitesse de disparition de diversité des espèces est multipliée par X, supérieure à, ne sais pas, 100 ou 1000. Donc, à un certain moment, ça fait nous allons avoir des difficultés même pour nous soigner, que ce soit au niveau de la médecine traditionnelle ou au niveau des pharmacies. Donc, nous avons intérêt à garder ces espèces pour que vraiment au point de vue médicinal, au moins pour la population qui pour le moment n'a même pas les moyens d'aller dans les pharmacies, en tout cas de se procurer de ces médicaments. C'est l'heure de ma partie préférée, c'est nous prenons une pause musicale cette fois-ci avec une collaboration entre l'artiste Mystical et la chanteuse et actrice Mint de Queen du collectif Soniger. Le son était sorti le 4 août 2017. Oui, le titre c'est Tout pour moi, une chanson d'amour qui a soulevé quelques polémiques sur, le, sur la véritable relation des deux chanteurs. En tout cas, nous sommes toujours dans l'ombre. <laughs> on écoute tout pour, tout pour moi et on revient. C'est sonsa ida hankali na ya kunta na samu sona ba ni shi ban o mahoni honi so dadi shi daɗi daɗi ƙauna suti suti ne gudba le jaloux I guess I'm more, te guess Affronterai les obstacles pour une vie ensemble. Je ne vais pas me réveiller de ce sommeil, je vais vivre. musical musicale, c'est nous. On passe à l'écho des régions. Et oui, direction Agadez pour parler petit déjeuner chez les enfants. Tout à fait, c'est nous. Les spécialistes rappellent que c'est le repas le plus important de la journée. Pour ceux qui sont scolarisés, il est recommandé qu'ils se mettent quelque chose sous la dent avant d'aller à l'école. Selon les médecins, sauter le petit déjeuner ou le manger en dehors ou effectivement ou le manger en dehors de la maison pour euh, les enfants pourrait avoir des conséquences sur leur santé. Les détails dans ce reportage signé Tila Amadou. Tila que nous retrouverons juste après. in ban yi kari ba sai yunwa wata zo min kuma ga ciwon kai ga ciwon ciki kuma ga shi bayan gane abin da madan take cewa. Alkasun baba matsayinsa na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin iyayen yara a agadarsa cewa ya yi karin kumallo na yara ƙanana kafin tafiya makaranta na da muhimmanci sosai. Yaro shi ya kamata a cika mai cikin shi ya karya kan ya fita daga gida ku tabbatar da ya karya sa'annan a tura shi ya tayi lakwal saboda matsalar da ake samu in bai karya ba a gaskiya ba yanu lura da menene za a yi cikin lakwal ba dai bane da yaron da ya karya hankalin shi na kwance da wanda bai karya ba tun da gaskiya ni a matsayina na faran da ya ma mun samu wannan kakin ta wani yaro da cikin kalas yana ta amai kuma ga sanyi ne ma yana makarkata wallahi da muka je muka bincika yaro ashe bai karya ba ma daga gida sai da na kama wannan yaro na kai shi har gaban mahaifiyar shi ashe mahaifiyar ba ta nan wadda ke rike da shi ta bar shi yadda yi bai karya ba ba a sa mai kayan ɗari ba yaro ya ta amai cikin kalas sai da muka sa aka mai kenan wannan mushan hankali ne da za mu ga uwaye ya kamata sakaki ne suke yi bisa ga karyawar yaro ya kamata yaro kan ya ta yi a tabbatar da ya karya saboda ya nura da me za a mishi abincin karya kumallo ga yara ƙanana masu tafiya makarantar boko ko islamiyya na da mahimmancin gaske musamman ma wajen ɗaukar karatu da ma kiwon lafiyar su wanda rashin ke iya kawo cikas ga karatun yara ƙanana da ma kamuwa da cututtuka fatigi sana da ke shirya wa yaranta karin kumallo duk safiya kafin su tafi tafi makaranta ta faɗi alfanun karin kumallo ga yaranta. Yanda nike yi ni da asuba nake dafa na. In na dafa shi kafin yara su taso da kwana su yi sallah kunu ya yi sayi an zuba musu madara sun sha sannan su kama hayya su tai makaranta kuma kahin su fito makaranta da ya sha tuwo ya ida su ci tuwon su kuma su tai ta azzafar makaranta. Sai kiga ya danki ko me aka ce yana cikin kanshi yana iyawa. Shi kuma Isa Amadu matsayinsa na malamin makaranta. Saboda shi wanda ya karya deja akwai wasu sayi na cikin kwalwar su wanda an yi ci abincin nan kamar ya tada su ne kenan da zai je lakol duk abin da zai amshi zai iya kaftan shi zai iya samo shi da wuri-wuri ya gane shi ya fahimce shi kenan kuma yaro wanda zai je lakol bai karya ba zai zamantu wani fannin ma yaron tunani ne yake ya ne za yi ya ci abinci in yaro zai zuwa lakwal a samu a tanada mishi wani abu da zai ci zai kawo mishi ƙwarin gwiwa sosai bisa kan neman ilimin da zai yi. Muhimmancin karya kumallo na yara ƙanana a gida shine tabbacin ƙoshin lafiya wanda a cewar Dr. Maman Isha'u wasu iyaye kan yi sakaci wajen shirya kumallo ga yara. Abincin safe yana da amfani da a yi shi saboda in aka yi shi yana ɗokewa kashi 20 ko kashi 25 ma a wa'ansu bayani bincike da aka yi kamar na abin da ya kamata mutum ya samu ya ci a wunin wannan eh, kenan yaro in ya tashi ya ci abinci da kyau kuma abinci na kirki da ake ci a da abin da ya shafi fannin sukari da abin da ya shafi fannin abinci abin da ya shafi fannin madara protein da glycid da lipid kuma an gano ma yana rage maka wanda suke cewa in mutum ya karya da yana ci da sahe kenan yana kara mishi gaba o contraire ma da aka gano kamar yana ragewa ma ne fiske in ka ci abinci da sahe yana hana ka kai wannan dan tamna tamnan na tsakanin kan IMD abinci rana rana ya zo ko kuma na tsakanin kan abincin dire ya zo su kuma wannan dan tamatauna su ne suke sa mutum yana ƙara girma 13 informatif ce reportage de Tila Amadou qui est d'ailleurs en ligne avec nous depuis euh, Agadez. Tila Inakwana. Lahiya lau an tashi lahiya. Lafiya lau ne ya yau. Yau da dama an gode ma Allah aiki. Lahiya lau Tila to madalla. me yasa kuka zaɓi wannan batun da kuka yi magana a kan shi na harka karin kumallon yara kahin su je makaranta? Wallahi abin da ya sanya ni na sha gamuwa da yara sai in ga za su makaranta maimakon in gansu cikin walwala sai in ga huskar su duka a gangame ba su walwala za su karatu sai nake tambaye su haka ina hira da su wani haka. sai su yi shiru ba su son su yi magana. Hey in tambaye su ko kuma gida aka ɓata musu rai sai su ce a'a ba bata musu ba kawai dai abin ga ba su jin daɗin jikinsu ba ku karya ba ne sai suke ce su karya ba to muhimmancin wannan karin na rishin karin nan ya sanya na yi wannan rahoton to tila wani eh. sako ne kuke so ku mika ta hanyar wannan rahoto To ta hanyar wanga rahoto kamar ina son iyaye mata musamman mu mata ya kamata mu kula sosai da yaran mu. Kahin su tayi lakwal ne, ta su makaranta ne, mu tabbatar mun tsabtace musu jikinsu kuma mun ba su karin kumallo sun ci saboda karin kumallon nan yana sa su su yi walwala. In suka ce cikin lakwal kuma za ki ganin yaro ya mai da hankali yana ɗaukar abin da aka koya musu Bambancin wanda shi cikin ga in bai karya ba akwai matsala. cikin ki ga shi ke sa yaro yana faɗace faɗace yana tsamar rai bai saurari abin da mushe ke cewa to tila <laughs> ga wata tambaya da za ta shafa ke da kanki shin ke da ke ba da sakon nan kina jin hankalin mutane kina yi wa yaga wannan karin kamar lokacin su je makaranta kuwa wallahi yaro na guda ne karami ke tare da ni wallahi duk abin da zani ko balaguro zani sai na tabbatar na gyara mishi karin kuma shi bai taba zuwa lakwal bai tarya ba madalla wallahi to stila ta hanyar wannan rahoto eh. shin a ganin ki wannan zai sa a jawo hankalin wasu sauran iyaye don samu su kula da kyau da yaran su musamman su kula da cikin su kan a ce sun je makaranta gaskiya in dai sun saurara kai yana iya kawo musu suka a kai saboda akwai uwaye da yawa haka sai su yi dibin kamar karin kumallo ba wani abu ne ba yaro sai a ɗauki kuɗi a bashi ya tafi lakwalli yaron kuma da aka bashi dala ashirin dala goma ya sayi ba abincin wa zai siya ba mm. in ya ga wani abu wani bambam wani abu duka abubuwa na da zasu sa shi ciwo su ne zai siye maimakon ya nema abu kenan abin da in dai uwa ta ji wanga rahoto tana iya ta gyara in tana da tuwanta da ya kwana da sahi ta za zazzawa ta ba yaron ta kuki ya hi ta ɗauki kuɗi ta ba yaro saboda yaro shi in ya sai dai abin da zai siya wanda zai gyara mishi zai sa ya samu lahiyar shi gaskiya haka ne tila mun gode gaskiya da wannan kyakkyawan rahoto da kika yi muna mai matukar faɗakarwa mu huta lafiya tiya sai mun kara haɗuwa kenan aha tuna gode aha Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Samira, avant de continuer notre émission, je pense qu'on doit s'échauffer un peu avec du sport. es prête, j'espère Oui, c'est Je suis vraiment prête. Et notre chroniqueur du jour, Guruza euh, Gourouza Karim, est aussi prêt. Gourouza, bonjour. Eh, bonjour, Samira. Bonjour, c'est Comment tu vas Ça va très bien. Super. Alors, Gourouza, nous allons parler du sport nigérien qui végète toujours dans la léthargie. Oui, c'est Le sport nigérien souffre de plusieurs maux. D'abord, le manque de moyens et de soutien car beaucoup de fédérations sont dans cette situation. Ce n'est pas que le Niger n'a pas de sportifs. Bien sûr, nous avons des jeunes valables et prêts à défendre les couleurs du Niger. Mais malheureusement, ils ne sont pas épaulés. J'ai rencontré le secrétaire général du SINAGEX. Le SINAGEX, c'est le syndicat national de la jeunesse et des sports euh, qui regroupe toutes les disciplines sportives euh, qui nous fait en tout cas, il s'appelle Omar Abdelkarim, SG Sinajak. Il nous fait la situation du sport nigérien. On l'écoute. Malheureusement, nous sommes euh, toujours relégués au second plan. Le sport euh, n'est pas accompagné suffisamment. La preuve en est que nous sommes euh, toujours dans les chantiers. On n'arrive pas à développer notre sport à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est seulement le football qui essaie de sortir sa tête de l'eau et même là, ce n'est pas suffisant. Donc, il a fallu l'intervention du président de la République qui veut accompagner vraiment ce, football. Et nous pensons que le gouvernement doit mettre les moyens nécessaires pour accompagner cette jeunesse, pour accompagner toutes les fédérations sportives pour que notre sport puisse sortir, en tout cas, des chantiers battus. Vous pensez qu'on a de l'avenir Oui, toute jeunesse a de l'avenir. Nous avons des potentialités. Nous avons vu avec Alphaga qui est sorti du néant et qui a fait un exploit extraordinaire. Donc, il y a et 1001 Alphaga au Niger. Il suffit qu'on crée le cadre. Moi, je suis sûr que les gens vont se battre et puis hisser très haut les drapeaux, euh, les couleurs du Niger. Goukouza, le 18e tour euh, cyclisme international du Bénin a débuté hier mardi. Oui, Samira, 748 km à parcourir à 5 étapes à travers plusieurs localités du Bénin en 6 jours. Parakou Djougou, Parakou Savé, abome Koumé, Ketoukou Porto Novo et Saoué Cotonou euh, pour l'arrivée finale. 12 pays sont engagés avec 13 équipes et sont, 3 coureurs. Pardon. Seul le pays hôte, euh, le Bénin, alignera deux équipes pour tenter de récupérer le maillot jaune. pour la première étape, d'ailleurs, euh, c'est le cycliste marocain Arafat El Adomi qui a remporté les 132 km entre Parakou et Djougou en 3 h 4 minutes 47 secondes, suivi du Burkinabé Suleiman Kone et du Camerounais Kazongo à Bolso Clovis. Et la deuxième étape, euh, je vous le dirai, que prévue aujourd'hui, euh, euh, va en tout cas relier Parakou et Savé sur une distance de 156 km. Voilà pour le soir. C'est nous. Merci. Merci. <laughs> Ah, voilà. Merci infiniment, Gourouja, pour les informations toutes ces informations sportives. Maintenant, nous allons à la rencontre d'un jeune chauffeur de nom de Soumaïla. Il a 21 ans et il fait le transport sur l'axe Niamey-Walam. Soumaïla, il a commencé en tant qu'apprenti depuis l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, il évolue euh, pour son compte dans son propre véhicule, bien sûr. Voici son portrait avec Oumou fesal faut goyo ni gote ngay ni garson kata fotin goyo moto na go fon chauffeur moto fo ndimi dondor ver to so manga manga ni koy der muganda ay go koy chena go koy jilmal go koy kasiyan kula ay ko de danga ya har kulo nan go kay ay ko de no manga na ka samu konda tata ku ya daga hankul nyame naran ka han kulo son jirma gida kan go sintin fesal jirgu ne ne akai go sofer tarara manan na dondon wala moto de ne gan kala dondon zargin margir sitka mota gana wallahi magara ay man to ba jiruwa kai go mota ba ay di gan gan kali ne don non dai wani kale ka to gan jiruwa waran kicin fa go mota zani sit de london ve don da london ve don sintinda to so walam har ran koi wala walam har na te ekol ni man te ekol ekol man te ekol wallahi kan sit london ve gana ay man ba to jiruwa wai mhm. kai go mota ba wallahi na kusin kai sin ko to so wallahi kan do aran koi da ko bakal lakal kanai sino de harai ara sigdi problem kula rango yora ha ah, iro no ara okay sigdi problem koro ifo sande kandi gori dangani go kandi gote chauffeur tarawo kandi gote wallahi sande kunna sira kaddogonai dogonai dene godi yaro to so ifo to gomni gomni kandi no goyoni chauffeur tarawo rani kine furtaji wallahi gomni dai tes ko ke bokul bogne bam tes af e gomni dai no halkan kurmai goy murade fere bons fu gore o furkina bot gore ngone ni garne teso mura halkan kuni go motga koto ibine kai duwe go albarka ala war mu kai wa bisa wallahi bore ngon ka dai zai tare kal su yan kal furuk tare wallahi ndi mo wadi ngawa manti fu gore o furkina got wallahi bore mo wallahi bera bo ndeni go tef kan ne ngi saira beren wal babun sa beren ni wallahi do deno bor tef Voilà, chers auditeurs, euh, à présent, pour euh, notre toute dernière balade en musique euh, dans cette émission Le Niger sur Kalangou que vous suivez à travers nos radios partenaires. Je pensais qu'on n'allait jamais arriver à ce moment. Nous vous proposons un hit fraîchement sorti euh, ce 26 avril 2023 par l'artiste Force Morale, jeune artiste nigérien, auteur, compositeur, rappeur et chanteur. Dans ce titre, il nous chante Denine qui veut dire s'en fout de toi ou bien je m'en fous de toi en langue zarma. On écoute Denine et on revient juste après. so easy. Nigga, whoa, nigga, chire. I don't I don't de maje mazuru sabu Et oui, de son vrai nom, Amadou Youn Sahamani, euh, à travers le titre, l'artiste nous peint le fait de n'avoir ni chaud ni froid de ce que pensent les autres, surtout les méchants, les aigris et comploteurs. Cela fait en sorte que la chanson a beaucoup hein, d'audience car les gens se sentent concernés et veulent faire passer le même message, surtout à travers des challenges sur TikTok. Oh, alfa ay koyo de kati ay kaba ay no gurbi labdur haro sin waza si kama ay gisal ay gisal mahara dai bintun surku cici faba borsi ganji tak mazima ye ka surku cici faba andu nyan halabar mai anda mi se isinde nanai dinte nor bore ma bangai din noro bambore ma sai sai Iko wani ne filani ne watu kul igaga ai ne wani ne filani ne munafice igaga gana ba Ghana bomb. They were Ghana bomb. When I finish in, they were Ghana bomb. They were Ghana bomb. They were Ghana bomb. They were Ghana bomb. I Ghana bomb. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer, n'est-ce pas, au loti du jour. Et aujourd'hui, dans cette rubrique loti, les chroniqueuses du studio Kalangu nous parlent du danger de la mixture petit cola gingembre comme kaya mata, jar aphrodisiaque. Oui, euh, c'est non, le petit cola fait euh, la, euh, on appelle ça, fait la côte chez les femmes, notamment ici euh, au Niger, pour cause il serait un puissant aphrodisiaque et ces dernières euh, en consomment comme KM, Kayamata pour pimenter leur vie de couple. Et oui, cependant, nombreuses sont celles qui en abusent et ce n'est pas sans conséquences sur leur santé. Retrouvons Rakia Arimi et vous-même, Samira, pour nous en dire plus. Lotti, Lati. Lati. Assim vamos, Rayan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Furme, shogon batin kadi. Samai dai no walla. Eh, kadi Nino? dunan gugu boro halay ban ay gora aray duniyan wa ai mukani mikanido Allah safiya nin din jine gine zeo ifolo ni te da din gora go wodugo hey ni wani sai an dunyo rafa ni sibai kan gora arwo kayan mata no kwai ne mo a gonda hari bobu yan kan ga kani tonton wai bardo hara hadda albordo haramu hmm, ya dinu ni mu ai ga wani yankulu bai safi ai ga bai kan gora arwo a gwanda hari bobu yan kan irgu gwai da igwana afrika labaiga ga safarai da. koi ne mai gone mboda a gonda har yankan ga bi safar walmo di ir te haifono nin ton dangi wala haifo dinna tusu nan goga a hingin safar koi ni di a dori bobu safar maze gunda rabi wala bi kan fatani se ga hamo ga yaki ne ya dinno bare kan yan gonda kanser a gi safar a ye ga me dori safar Eh, dinnin wa mboda ini a ga me fun bizabu koi ne wai bare kan yan digo di yuman di ga ma dori a ga wadin yan kul safar koi na haifono gara kan sai igine yin. a ba da wankan go ka fa ga boda yayi dai gumdai wuri bobo na ga safar masha Allah wani yau labari kanu nome amma ni di hayayo kula isi bai to safi amma matkai di ni gogan wa da mu bon kan gwanda berai bobo fuwa bon eh kadi hankan si bisa izu waran ka zarora asibami wai wai wai subhanallah safi wallahi ni go hayawon wa gumo koyne ma hagoya gin koy zan ba loktore ga ya yamar di misi bisizi hinka ki gun wa zarira koyne bogyan gona dinin wa haikun na ste isi amma a foyon gono ba iz fo wali hinkano baganwa a ga dori bobo tunan dise sokfa boga kayan gwanda sandai ngwari tintine din wayan wodo hare a giye gindan bintai na koyne bori boga kayan gwanda bin dori se walmo estoma koye wali tansiyon ni dai gora a rowo dawai bargun da gaga a mai himgawa yadin mono da gona nan di. kadi ni di izu waran kadin kan ai gono ni se ai ga sambu man tinga hinne na igunwa so kui mine e mudori fotan ai ga ai ga tonton iga citta ingan da karon fani ni di wadin mu aga yo bo sandino ya salam safiya ya dinga kadin ni ba gani dai ai mu hayoyo nan dai wala ai mu se yagi mu a a ah, ah, man tiya din nai gone amma wallahi mun nan wayan ago mu. zama zagayen boye ga bankan citta dunya men da me gani goida zama ga har bobu safar maze bungum yan yeni farsafa yadin mono da bintai bintai yan he hada bondogi na safar amma da gumu wallahi a kan din se gunda ka dungai walmu ni gunda mu koy fusu wala min ga hamu men da me saga koy ni mu amman ban gunda kar ga hingindi ya dum mono dan yi di koy ye kanise aga kano ti musu wadin mono bai ka si bogi ya dum mono ko gan falo kan nugoci har hannu no zama hawo mu boga barbe gendi amma wallahi da gumu a si bogi hmm. to ai ma ai faham ai kokari ai mu zabwara a mantini mu kokari no bo ni mu ga te mu boda no zama wallahi ni goga ngwa gumu ni mu hankan ga ba mbo ni wani him gin ngwayin wunan bono hal kwai to lokaci fo yanzu mu wallahi a ba ni ga hamura. to ai ma ai san mu ni ga han ba no seno daman tiyadin ma hagwai akwai gin dumai zai saga ni se wadin mo ganan alhaji mu du fondo kan ga kwai ga wanda hinkate <laughs> wai wanda hinka mai ga windi fora aga min duwa ne ga dai hmm. ko da mu, din bai mu ni siba waike to mun nan haya wote yin wani na ni folla na bagu mu. ko ne mi ci ni sai, ai wani ya kai ni zo ni a go ir kwara ni bai kan inda ki fo a beri abori ko ne a gono da ni kunya hin na goce ci kalasi bai hanka ni gogo ni dimo dini ngandin kunya ga shiddan carga wallahi ko kyaksi hmm, mai rukayya inga dai ni yayi zodi ne inga ai walla sai ga gwaran da buru dogo nan dai si. to ya dinga mu hagoi han sai ngodo nim skoi ga ya kusara <laughs> to ai sabu Et oui, voilà, c'était là le loti du jour avec euh, le desk femme euh, du studio Kalangu. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Alassane Abdou, rédacteur en chef euh, du studio Kalangu. Actualité oblige, aujourd'hui, il nous explique l'expression liberté de la presse. En français d'abord, puis en langue zarma. Bonjour Alassane. Bonjour Seno, ben, bonjour Samira et bonne fête à tous les journalistes du monde entier et en particulier aux journalistes nigériens et aux journalistes du studio Kalangou. oui, euh, la liberté de la presse, euh, comme euh, le mot l'indique, la liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Aujourd'hui, euh, on ne peut pas dire que euh, nous avons la liberté de la presse partout dans le monde parce qu'il y a des pays dans lesquels aujourd'hui les journalistes sont persécutés, sont menacés, sont emprisonnés. Et euh, pour vous donner quelques exemples, fin 2022, nous avons quelque chose de 533 journalistes hmm. qui sont emprisonnés dans le monde entier. Et il ils étaient 488 à la même date en 2021. 2023 n'est pas encore terminé, nous ne sommes qu'à quelques mois. On attend voir ce que ça va donner, mais nous souhaitons quand même que ça soit une année de, liberté pour les journalistes. Donc, euh, pour finir, je dirais que la liberté de la presse nous permet de diffuser des informations et des idées auprès des citoyens afin de contribuer à une euh, réserve de connaissances communes au sein de la population. Ça nous permet également d'améliorer le fonctionnement du gouvernement représentant les citoyens en aidant ceux-ci à communiquer avec lui. Donc voilà ce que je peux dire. Un résumé, il y a beaucoup de choses à dire autour de la liberté de la presse et euh, j'aimerais vous reprendre ça un peu en langue. Oui, Et mataken ci da irzona euh, an sar sanera irne kan liberté de la presse kan boregi matkul ki gidida ta amanti kala irne warse kan hadda no ki kan dar kan dukunan labar no kai im labari no im zurku indi kan ga nambore mi ci hanki di hanki gi himanda kan gi himanda kan mantin da telefon dira wodi mo harno kan dukunan demokrasiya mazada. Mm ambirne ka hunkundir ko kumu jar kuguna liberté de la presse o mera denagu sigi tabbatu mat kirga bara da zama labar no kai kan game ka tabbatar ne kan game ki no igo ira igi buka igi kar igi kankam igi dan kasu ga kultise borkin dogu zurgu tugu silman kan ne warse ka ansar girzan bari hinka da waran kacin da hinka aga to labar no ko zungu gudu waran zikin da hinza kai yango kasu mm. alwatu follon kaga mannan fu kan manta mannan sanga ansar girzan bari ka da waran kacin da fa sigi ne 2021 sikal ngai bor zungu takin da ku cin da hakku mm-hmm. irsi bai gina jiro karra Irgu, hankanga ga kwaita zam jiro sintin mm da irla bekin da gima kyarga do babi foine la ku foye yani ga irte de son hammi siyan kango harra kige brigi tangir bon igidi ko kida nan kige ba kalir ko mboriandi woni banda irne mo ko ne hayrino kango dukana irme goyta matka himanda de monaga dukana alkason irme la bizay di jin sa borey bandi igoy mitakira matka gi himanda Merci euh, infiniment à la Alassane pour euh, cet éclaircissement qui tombe à point. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'expression en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. À présent, c'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs euh, qui nous ont envoyé des messages vocaux. Oui, Samira, car dans cette émission, nous leur donnons bien évidemment la possibilité de nous faire euh, un retour sur nos programmes, mais aussi et surtout de passer leur salam à l'endroit de leurs frères et sœurs et amis qui les écoutent sur nos radios partenaires. Euh, sunana Jibo Chimogo, go na garin Kwanne, en ce qui concerne gaska tsare-tsaren programmation na Radio Kalangu, gaska abu na wanda muka yaba. Saboda ita na ɗaya cikin rajuka inda duk ƙasar Niger, Nijar suna kana samun su. Kuma tsare-tsaren da suka yi bisa rayuwar mutanen karkara kuma cikin harsuna da mance a fillance duk abin da an kai na ba da kanun mutane eh, a turance to tsakani da ala'ayin jarida suna nan an horar da su su ma suna ba eh, mutanen karkara eh, cikin halsunan da suka gane to shi na manuwa rajo tun da ta rajo abinda aka so gare ta tana kusan talaka tana kama talaka waye da kai kuma tuko talaka suna gamsuwa su ko suna kana su kokari ci gaban kasa da zaman lahiyar kasa sunana muktar amadu ina garin ciro zerin ne a nan jihar Gadas. a farko dai ni tela ne kuma ina taba kasuwanci mu muna bibiya studio kalangu yadda da ake tunani saboda akwai shirye-shiryen da gaskiya ni suna kayatar da ni eh, shirtu mun rika yin wasu activity kuma sai mu zo muna saurare su nan inda kusan gaskiya wannan abin shine ni da yake nishadantar da ni sosai duk inda aka yi wani abu za a yin shi da wani labarai kala-kala don mutane su samu su amfana gaskiya ni wannan shine abin da ya sa studio kalango yake raina sosai zan mika gaisuwa ta tabarka da sallah da nan zuwa ga mambata da take garin niyame ana kiranta da munira ide da abokanai da amina arziki da suke gariruwa daban-daban doso maradi da sunana da sunan dukkanin 'yan ta na haɗin kan matasa ina gaida dukkanin 'yan uwa da amina arziki Avant de boucler cette émission, nous sommes avec euh, Rukayet Abdurrahman pour nous présenter les titres du journal de ce soir. Alors, euh, bonjour Ruki. Bonjour Mira, ça va Quels sont les titres Aujourd'hui, 3 mai, le monde célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Dans le classement mondial RSF, le Niger a régressé de deux points en termes de liberté de presse. La maladie de la diphtérie s'est déclarée dans la commune rurale d'Ingal, région d'Agadez, le 22 avril 2023. Des précisions sont à suivre dans le journal du soir. La partie magazine de ce soir portera sur la situation sécuritaire dans le Liptako Gourma et le rôle des communautés. C'est tout fidèles auditeurs, retrouvez-moi à 17h pour l'édition du soir. Sans souci. <laughs> Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même Ali Munkela alias Seno. À la technique, euh, c'était tout simplement mustafa Ayuba et à l'édition Rahilatu Soumana. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Niger sur Kalangou avec Fanta Chamsou et Mariam Adé. Bye bye tout le monde.